Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette euh, édition de 20h15 minutes euh, sur euh, la télévision Tambra de ce lundi 3 octobre 2022 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Et nous démarrons l'actualité avec la reprise ce matin du 3 octobre 2022 des activités académiques au titre de l'année scolaire 2022-2023. Et c'est le ministre de l'enseignement professionnel accompagné du gouverneur de la région de Niamey qui ont procédé au lancement de cette rencontre ce reportage nous en dit plus davantage. Suivez plutôt. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence pour les 4 millions d'élèves à travers le pays, comme annoncé par les autorités de tutelle. Ainsi, du préscolaire au primaire en passant par le secondaire, c'est le début d'une nouvelle année académique, tant pour le public que pour le privé. En procédant au lancement de cette euh, rentrée à Niamey, le ministre de l'Enseignement professionnel rassure quant aux dispositions prises par le gouvernement pour le bon déroulement de cette euh, année académique. Effectivement, euh, l'école a repris. le plus important, d'abord l'administration est là, partout nous sommes passés, les enseignants sont là, les élèves également euh, sont présents. Donc c'est ça le plus euh, important, c'est qui nous rassure que nous sommes euh, sur la bonne voie dans notre combat de transformation de notre système éducatif. Et dans ce combat, le seul appel que je lance à tous les acteurs du système éducatif, euh, c'est l'implication des parents. C'est assez déterminant, c'est très important euh, pour nous. Euh, également, pour cette année, je lance un appel à tous les conseils municipaux, les mairies, les conseils régionaux, pour qu'ils s'impliquent davantage aux côtés du gouvernement. Le président de la République fait de l'éducation, fait de l'école euh, une guerre. Comme il l'a dit, nous sommes en guerre. Donc, euh, nous sommes en guerre pour que, avec l'ensemble des acteurs, euh, nous puissions arriver à construire une jeunesse bien éduquée, bien formée, qui va prendre en charge l'avenir de notre pays. toutes les conditions sont réunies nous avons constaté avec vous les fournitures scolaires euh, en quantité suffisante et sont mises à la disposition des élèves. au niveau de l'enseignement technique, euh, nous avons euh, vu la matière d'œuvre, elle est sur place. Donc nous sommes rassurés, Inch'Allah, que nous allons encore avoir une très bonne année scolaire. Pour nous, une bonne année scolaire, c'est le respect du programme, c'est également des horaires et que c'est une année qui ne va pas connaître de, de perturbations. Tout en appelant les différents acteurs à poursuivre les efforts pour la réussite de cette année académique, le ministre n'a pas manqué de rappeler que l'éducation constitue le principal cheval de bataille des autorités en place. Voilà la suite de cette édition, après trois mois de vacances, en cette euh, matinée du 3 octobre 2022, les élèves du primaire et du secondaire effectuent leur entrée académique 2022-2023. Euh, les élèves du, du CSP de Niamey ne sont pas restés aussi en marche. Le constat est signé Zena Bougagra et Ibrahim Kantama. De la maternelle au secondaire, l'on s'est dit prêt pour le bon démarrage des activités académiques de l'année scolaire 2022-2023 au CSP Yatoré de l'arrondissement communal Niamey 5. À l'occasion de la rentrée scolaire, le proviseur du CSP Yatoré a fait savoir les modalités prises à dit établissement tout en précisant que tout est fin prêt pour le bon déroulement des activités. Tout est prêt tout est prêt, sauf que je vous ai dit que nous sommes juste un peu en retard par rapport au, temps. Mais sinon, nous avons tout ce dont on a besoin. On a déjà fait une première euh, rencontre avec les enseignants du secondaire. Il faut aussi noter que euh, le recrutement même de nos enseignants du primaire, c'est sur test. Donc, on a fait un test à l'écrit un entretien et aussi euh, même une science de lecture pour nos enseignants du primaire. Parce que vous savez que la lecture est une matière fondamentale au primaire. Donc euh, c'est pourquoi nous avons mis l'accent pendant le test à faire lire nos propres enseignants des tests qu'ils auront choisis en fonction de la page qui leur a été soumise. Donc, euh, sinon, euh, Dieu merci, à part les quelques retouches à faire, nous sommes vraiment prêts pour faire la rentrée, Inch'Allah. L'appel que je lancerai, ou peut-être le souhait, c'est que euh, les écoles puissent travailler la main dans la main, comme disent les gens, qu'il y ait une entente entre la section collégienne, lycéenne et universitaire euh, avec le gouvernement pour que l'année se déroule normalement bien du début jusqu'à la fin. Pour rappel, le CSP Touré rouvre ses portes pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Bonne année académique 2022-2023 à tous les scolaires du CSP Touré. Dans la suite de cette édition, pendant que les élèves reprennent partout le chemin de l'école, le comité directeur de la section lycéenne et collégienne a choisi d'appeler au boycott de cette rentrée académique 2022-2023. Les raisons avec euh, le secrétaire général de la dite section. Nous ignorons s'il y avait une rentrée aujourd'hui parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette rentrée politique c'est pour cela, si vous avez bel et bien vu, nous n'avions pas assisté euh, au lancement de la rentrée, de la soi-disant rentrée effectuée par les autorités en chef de l'éducation. Et il faudra que nous les notifions. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey n'a point effectué une rentrée. Et dans les jours à venir, nous allons euh, vous montrer pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec une rentrée. Parce que quand on parle de rentrée, on parle de classe. Quand on parle de rentrée, on parle de tablement. Quand on parle de rentrée, on parle, des enseignants. Et à notre grande surprise, euh, les médias partent dans les grands lycées de Niamey pour filmer, dire qu'il y a tout. Or, à Niamey, il y a assez d'établissements qui n'en disposent de rien. C'est des terrains vides. À la négociation au niveau de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, nous avons sillonné 13 établissements qui sont 100% PAET. Ces 13 établissements-là, nous avons dit que pour qu'une rentrée soit effective, il faudra assez que ces 13 établissements-là puissent avoir des classes payotes s'il le faut, parce que nous n'avons pas demandé la forme de la classe hein, de notre préalable pour qu'une rentrée puisse être effective. Nous avons bel et bien dit, quelle que soit la façon où les classes sont construites, pour le moment, construisez-nous des classes pour que les camarades puissent effectuer une rentrée. C'est tout ce que nous avons eu à dire. Mais hélas, notre dernière réunion s'était tenue ce dimanche passé, hier, au niveau du gouvernorat de la région de Niamey. Malheureusement, la ville, la mairie qui s'en charge normalement euh, des classes payotes au niveau de la région de Niamey à travers euh, les transferts de compétences au niveau de la collectivité territoriale. Malheureusement, cette ville de Niamey n'a même pas assisté à la réunion. Le président est en voyage, le deuxième vice qui devrait venir à la réunion, il n'est pas joignable, il était indisponible, nous ne savons pas. Ces promesses-là que nous ont tenues en amont ne veulent-ils pas honorer C'est pour cela personne n'a eu à assister à la réunion, nous ignorons. Mais ce que nous avons dit, nous avons montré notre bonne foi. Nous avons accepté qu'il y ait une rentrée aujourd'hui politique, mais nous avons dit nous ne serons pas complices de cette rentrée politique. Et qu'ils se disent, et se disent une chose, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et si les conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas effectuer une rentrée. Par rapport à ça, nous sommes intransigeants et fermes. Et je vous dis, je vous informe, que la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey réagira dans les urges à venir pour montrer son mécontentement. Parlons toujours de la rentrée scolaire, cette fois-ci à 551 km de Niamey, mais nous parlons bien sûr de la ville d'Ottawa où le gouverneur de la région a effectué un tour au niveau de quelques écoles pour constater l'effectivité de la rentrée académique 2022-2023. Cet élément s'est signé bien sûr nos correspondants de la ville d'Ottawa. Suivez plutôt. Lundi 3 octobre 2022, c'est le début de la semaine, c'est également le jour de la rentrée scolaire où les élèves et les enseignants reprennent le chemin de l'école après trois mois de vacances. Tôt ce matin, le gouverneur de la région de Tawa, à la tête d'une importante délégation composée des cadres de commandement, des directeurs régionaux en charge de l'éducation, des parents d'élèves, les élus locaux, les projets et ONG intervenant dans le domaine de l'éducation, se sont transportés sur le terrain, plus précisément dans les écoles de la ville de Tawa, pour encourager et apporter leur soutien aux voyants, enseignants et élèves. Euh, cette rentrée, euh, comme l'a dit hier euh, le ministre de l'Éducation nationale, a pour thème la transformation de notre système éducatif pour un enseignement de qualité, accessible à tous, c'est la transformation du comportement de tous les acteurs du système. C'est la transformation à notre niveau, nous les gestionnaires, la transformation du comportement au niveau des enseignants, au niveau des élèves et au niveau des parents d'élèves. Il faudra que tous les acteurs du système et tous les bénéficiaires du système deviennent un peu plus positifs, changent de posture pour que notre école soit une école de qualité, pour que notre école soit une école où on apprend à lire, où on apprend à écrire, où on apprend à compter, où on apprend à, calculer et où on apprend à résoudre des situations propres. Partout où nous sommes passés, nous avons trouvé les enseignants, nous avons trouvé les élèves, nous avons trouvé les fournitures en place. Le gouverneur a pris la parole il a encouragé les enseignants, il les a félicités pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Il a félicité aussi les parents d'élèves et il a encouragé les élèves pour que vraiment ils s'investissent, pour qu'ils se mouillent au maillot, pour qu'ils travaillent et qu'à la fin de l'année, les résultats soient à la hauteur des attentes de tout le monde. notre euh, satisfaction, c'est qu'on a constaté effectivement que les dispositions ont été prises par euh, l'État donc euh, pour euh, acheminer euh, les fournitures scolaires au niveau des établissements. Nous, du côté du point de vue partenaire, effectivement, on a apporté notre contribution dans la construction des classes et, leur équipement aussi. l'endroit des scolaires et des parents d'élèves, on souhaite vraiment une inquiétude, qu'il n'y ait pas de mouvement de nature à perturber les cours. Et euh, par rapport à nous, ce qu'on a fourni, on souhaite vraiment que les parents d'élèves, les projets s'investissent pour l'entretien des ouvrages qu'on a euh, fournis. De l'école primaire Sabangari en passant par le CS3, le lycée technique professionnel, l'école primaire Gyebanzogi, partout où il passe, le gouverneur de la région de Tawa attire l'attention des élèves et même des enseignants pour une année réussie et Le brevet, c'est dès aujourd'hui que ça se, prépare. Ça se prépare dès la sixième fois. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devrez être toujours en classe, aux heures de travail, en train de suivre les enseignants. Qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre Les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, etc., etc. Il faut les suivre et il faut écouter. Quand on va à la maison, on regarde les résumés pour apprendre les résumés aussi. C'est comme ça, progressivement, jusqu'à la fin de l'année. On va en cinquième, on passe la même chose. On passe en quatrième, la même chose. Jusqu'à la troisième. Celui qui fait ça et qui est resté travailler, suivre les enseignants, il faut vous dire qu'il aura en principe le bpc Donc il faut travailler. Il ne faut pas siffler. Chaque matin, on rentre, on travaille. Regardez, ce sont vos parents. Tous, ils sont venus pour vous soutenir. Ils sont venus vous encourager. Donc, vraiment, c'est parce qu'ils veulent que vous travaillez. Et je pense que vous allez travailler. Notez que l'école Guébonzogui, qui abrite des élèves réfugiés du Mali, a constitué la dernière étape de cette visite. C'est de cette édition, atelier de réflexion sur la mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Niger. C'était ce matin à Radisson Blue de Niamey, organisé par la Fédération nigérienne des personnes handicapées avec euh, l'appui de l'UNICEF. Suivez plutôt ce commentaire signé Zenab Gagara et Ibrahim Kantama. Promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées, tel est l'objectif euh, visé à travers cette journée de réflexion, à travers la mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH au Niger. Un atelier organisé par la Fédération nigérienne des personnes handicapées avec l'appui de l'UNICEF et le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales en charge des questions du handicap. Le représentant des personnes handicapées a, au nom de toutes les personnes handicapées, témoigné leur profonde gratitude aux autorités. En effet, avec l'adoption de la loi 2019-62 du 10 décembre 2019, déterminant les principes fondamentaux de l'insertion sociale des personnes handicapées et son décret d'application de juillet 2021, un pas important vient d'être franchi vers une pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées. En dépit des efforts fournis, les conditions de vie des personnes handicapées restent très précaires, en particulier dans les zones rurales où vivent plus de 83% d'entre elles. En effet, la très faible mobilisation des ressources la réouverture et l'accroissement du fonds de soutien aux personnes handicapées, l'édition et la distribution de la carte d'égalité de chance, la prise en compte de la transversalité de la question du handicap dans les différents programmes et ou budgétisations, les mécanismes efficaces de suivi et de mise en œuvre de la CDPH et la législation interne restent des défis importants pour la réalisation des droits des personnes handicapées au Niger. À cela s'ajoute l'inaccessibilité des personnes handicapées aux infrastructures, aux transports et aux services ouverts au public. L'absence de système de protection sociale, même pour les personnes ayant des besoins importants de soutien, ainsi que la persistance de perceptions et attitudes négatives des familles des personnes handicapées et de la communauté en général. Avant de clore mes propos, je voudrais saisir cette occasion pour attirer l'attention du Parlement de notre pays lors de l'examen de la loi des finances 2023 afin de veiller à la prise en compte du fonds de soutien des personnes handicapées, qui est un engagement fort du gouvernement, matérialisé par des instructions claires de son Excellence, M. Oumoud Mahamoudou, Premier ministre chef de gouvernement. Qu'il me soit permis de souligner aussi et de remercier très sincèrement l'UNICEF, dont le soutien technique et financier a permis la tenue de ces assises, aux sorties desquelles je fonde espoir d'une redynamisation des mécanismes de mise en œuvre et du suivi de la CDPH et de la législation en faveur des personnes handicapées du Niger. Le représentant de l'UNICEF au Niger réitère leur soutien à la Fédération nigérienne des personnes handicapées à cette occasion. Les inégalités auxquelles font face les personnes handicapées pas seulement ici au Niger, mais c'est toujours aussi important de répéter que ça, c'est aussi au niveau global. Et euh, je dois quand même remercier le gouvernement qui a affirmé sa détermination à promouvoir la solidarité nationale et l'inclusion socio-économique en renforçant les mécanismes de protection sociale et d'autonomisation des femmes et, euh, des enfants avec euh, un porteur d'un handicap. Ce combat pour euh, l'inclusion des personnes handicapées euh, qui nous rassemble aussi toujours ici est, emblématique. Euh, L'UNICEF vient de signer son nouveau cadre de coopération avec le gouvernement du Niger 2023-2026. Et dans ce cadre, les actions au soutien de l'inclusion des personnes handicapées, bien sûr, à commencer par les enfants parce que c'est notre mandat, est en priorité et sera en priorité. J'espère que le gouvernement, autant comme l'UNICEF, aura la capacité de créer les liens entre les différents ministères ou pour l'UNICEF dans les différents domaines d'intervention parce que la question de l'handicap, c'est une question transversale, ce n'est pas d'un domaine du ministère. Et c'est inutile qu'un ministère elle part tout seul. On doit chercher de vraiment mettre ensemble les différents acteurs pour garantir euh, des services qui soient plus inclusifs et de se parler. Parce que je pense qu'on pourra, c'est sûr, euh, euh, avoir un impact différent. Dans la, prise en charge de ces problématiques. Au cours de cet atelier, plusieurs points seront débattus afin de renforcer ensemble les mécanismes de mise en œuvre et le suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées CDPH au Niger. Créée avant la Première Guerre mondiale, l'actuelle euh, école primaire de Birni Garceau de Zerdé a formé plusieurs cadres du Niger, dont deux présidents de la République, euh, Maman Ousmane et Ibrahim Barimé Nassara. Aujourd'hui, cette école est dans un état de dégradation avancée. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères du studio Kalango. Le colonial, bien avant la Première Guerre mondiale, au début c'était un centre d'instruction militaire. Donc, euh, ce centre d'instruction militaire, en 1922, a été transformé en orphelinat des métis, puis en 1935, foyer des métis. En 1940, école régionale mixte des Anders. 1953, devenue école euh, mixte des Anders Berni. Et en 1959, création de l'école euh, Bernifi. L'école primaire, euh, l'école mixte des Anders Berni était devenue école Berni garçon hein, jusqu'à nos jours. C'est un vieux bloc qui date des années 1900. Donc sous l'effet euh, de l'eau de pluie, d'année en année, ce bloc-là a commencé à, se délabrer. Nous avons lancé à plusieurs fois des, cris d'alarme pour que ce joyau puisse être sauvé, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Et voilà qu'aujourd'hui, avec euh, les pluies intenses, à la date donc du 18, un dimanche, une des classes s'est effondrée. Maintenant, deux jours après, la seconde encore a Ce qui fait deux classes parmi les six classes du, du bloc. Nous avons avec le CGDS évacué ce qui peut euh, l'être et nous avons encore davantage lancé un cri d'alarme pour que et le restant du bloc là qui n'a pas encore euh, chuté puisse être euh, démoli parce que c'est un risque pour les enfants. Et en dehors de ce bloc là, nous avons six classes encore qui sont en état de ne plus être euh, utilisées pendant cette rentrée académique 2022-2023. Cette école a eu à former des élites de ce pays. Au moins, nous avons eu deux présidents qui ont été, en tout cas, élèves au niveau de cette école. Et cette école aussi a eu à former des éminentes personnalités des rangs des ministres, des rangs des ingénieurs, des rangs des docteurs, des rangs des autorités traditionnelles. Et nous pensons que vraiment, on devrait venir en aide à cette école. Il est important de le rappeler, le président de la République a fait de l'éducation son cheval de bataille. C'est pour cela que nous appelons toutes les bonnes volontés de créer les conditions pour que cette école-là soit réhabilitée dans les meilleurs données afin que les enseignants et les élèves, en tout cas, puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà la salle de conférence du SNAD a servi de cadre aux travaux de renouvellement du bureau des commerçants du Grand Marché après la fin du mandat qui a conduit l'équipe pendant, pendant deux années. Reportage sur la télévision Tamara. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renouvellement du bureau des délégués du grand marché à la fin du mandat des deux années de notre équipe. Des travaux qui se sont tenus ce 2 octobre 2022 au SNAD dans le calme et la quiétude en présence de plusieurs commerçants. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la logique du renouvellement de notre instance que constitue le bureau des délégués du grand marché de Niamey. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la spontanéité dont vous avez fait preuve pour répondre à notre sollicitation en suspendant momentanément vos activités. Je souhaite que cette rencontre soit bénéfique pour notre organisation et qu'Allah exauce nos voeux afin de parvenir à des résultats probants dans la compréhension commune, la volonté dans le déroulement de nos travaux. Dans l'espoir d'aboutir à cette concrétisation, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale des délégués du Grand Marché. Après un bilan détaillé de l'ancien bureau sur les tenants et les aboutissants rencontrés, l'étape suivante fut les élections qui ont placé en tête El Haji Doudou comme président et Moussa Ousmane comme nouveau secrétaire général. Des sentiments de joie, vraiment je suis content d'être euh, élu à ce poste du SG, du Grand Marché. Vraiment, je suis content et je remercie tous ceux qui m'ont placé leur confiance. Je ne fais que dire merci et merci encore. Bon, vraiment, le sujet qui me tient à cœur dans ce grand marché, qui est le grand marché du Niger aussi, c'est le problème de l'insécurité qui est requérant dans le marché qui nous préoccupent tous, qui nous empêche de dormir. Après cette cérémonie, le nouveau bureau fut envoyé dans l'exercice de ses fonctions pour les deux prochaines années à venir. Voilà du sport à présent pour clore cette édition. C'est pour parler de la fin hier du tournoi des grandes vacances TGV Maracana Courano qui a opposé cette année plus d'une dizaine d'équipes et qui s'est achevé sur une note de satisfaction générale pour les organisateurs. Suivez plutôt la réaction. La réaction c'est qu'il y a un sentiment de joie voir... Euh, aujourd'hui, tout le plaisir est pour nous d'avoir pu euh, finir la deuxième édition de notre TGV. Euh, on se dit à l'année prochaine et on espère que bientôt, pour les prochaines éditions, nous aurons des partenaires qui vont nous accompagner afin que ce TGV-là soit l'un des TGV qui puisse créer autant d'engouement dans le quartier. Ah, Au début, on a commencé avec 16 équipes, mais cette année, pour une question de temps, on a eu affaire avec 14 équipes. La jeunesse du quartier est bel et bien présente. que je puisse faire c'est d'appeler vraiment les gens à plus nous aider, à nous soutenir quand on va pouvoir organiser les prochaines éditions. Je suis toujours content quand il y a des manifestations pareilles, parce que nous, en tant qu'aînés, notre rôle principal, c'est d'abord veiller à ce que la jeunesse soit épanouie, que la jeunesse soit unie, que la jeunesse trouve un cadre dans lequel elle puisse s'amuser. Bientôt, ça va être euh, la rentrée scolaire. Donc euh, je pense que c'est une belle manière d'entamer une année académique de manière cohérente. L'appel, il reste toujours le même. Le travail, le travail est toujours le travail parce que seul le travail paye. Parmi ces, jeunes que nous avons vu évoluer aujourd'hui, il y a des étudiants, il y a des élèves, mais il y a aussi certains qui, travaillent, qui font d'autres petits boulots. Donc euh, nous lançons un appel pour qu'ils puissent maintenir le cap, rester toujours serein, s'éloigner de la drogue, s'éloigner de la violence, rester dans le droit chemin pour un Niger en avant. Voilà, messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 3 octobre 2022 euh, sur euh, la télévision Tambra. Les programmes continuent sur votre télé et radio de proximité. Au revoir.